Jean-Pierre Copé disait toujours J'ai tout appris à l'ENA, sauf l'aventure de maire. Le grand maire de Dakar, Mamoudou Diop, renouvelle sa bénédiction sur lui, disait aussi une aventure impossible. Tout cela pour dire que l'honorable député maire de la ville de Dakar, Barthélemy Doigaz, était dans d'excellentes dispositions pour participer à cette deuxième édition du Festival Dakar major Mais un imprévu de dernière minute l'a empêché. C'est ainsi qu'il a donné des instructions pour qu'au niveau de la ville de Dakar, une forte délégation vienne le représenter. Délégation composée d'adjoints au chargé chargés de sport et de jeunesse, de président de commission de travail de la ville de Dakar, du secrétaire général de la ville de Dakar, autour de qui toutes les directions et services de la ville de Dakar constituent un comité qui a commencé à travailler avec les 19 représentants des communes de département de Dakar. Il m'est particulièrement agréable au nom du maire De gaz d'honorer de ma présence cette deuxième édition du festival Dakar en jeu, mais aussi de réaffirmer l'engagement du maire et de la ville de Dakar aux côtés du COJOJ pour faire de Dakar une terre d'accueil, une terre de terrain, mais une terre d'expression culturelle et artistique mais surtout d'activités sportives. Le maire de Dakar ne cesse de dire à travers justement son programme Dakar Binibok, la jeunesse est au cœur de sa politique municipale. Le sport est au cœur de sa politique municipale. C'est pourquoi il attache un grand prix à ses activités. C'est ainsi qu'il a donné des instructions très claires au secrétaire général et aux différentes euh, directions concernées de tout mettre en œuvre pour faire de ces événements des événements inoubliables. Nous avons tendance à dire depuis cinq ans, Sénégal, pays de la Teranga, et quand on parle de Sénégal, pour l'essentiel, ça reflète Dakar. Terre d'accueil. Dakar est une ville d'audace, une ville de défi. Et avec le maire de Dakar, je suis convaincu que ces activités verront la participation non seulement de toutes les communes du département de Dakar, mais de toutes les populations de Dakar. Ce travail a commencé à travers le comité de pilotage qui a fini véritablement de convoquer les représentants par commune et de mettre en place un dispositif de sensibilisation, d'imprégnation, mais surtout de participation à ces événements qui honorent la jeunesse sénégalaise, la jeunesse dakaroise. C'est pourquoi je me réjouis aujourd'hui, au nom du maire de Dakar, de dire que euh, ces événements pour l'organisation en perspective des JOJ qui ont connu un balbutiement à cause du fait de la Covid, qui n'a pas été un problème, mais peut-être un prétexte pour mieux préparer les JOJ. Et c'est comme ça que je l'interprète. C'est pourquoi nous manifestons notre enthousiasme, notre détermination, notre engagement pour être un partenaire plus qu'un partenaire, mais un acteur clé dans le processus de ces Jeux qui se dérouleront pour la première fois en terre africaine. L'Afrique, depuis quelque temps, certains disaient que c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique, c'est l'avenir du monde de demain. Récemment, à travers la ville de Dakar, nous avons organisé pour la première fois en terre africaine le Congrès mondial de l'économie sociale et solidaire. Voilà aujourd'hui que les JOJ vont se dérouler pour la première fois aussi en terre africaine à Dakar. Ça honore la jeunesse africaine, ça honore le continent africain. Et je voudrais vous dire que le maire de Dakar, Patrick Doigas, est d'un engagement débordant, d'un enthousiasme extraordinaire en accueillant ces JOJ et faire de ces JOJ des moments de ferveur, de militantisme, mais aussi d'expression et surtout de libération des différents talents. Nous sommes convaincus à Dakar, aussi bien au niveau artistique qu'au niveau sportif, c'est des populations qui ont un talent, un talent débordant, mais surtout une expression artistique qui dépasse même les limites de notre pays. Je voudrais enfin, Monsieur le coordinateur du COGOJ, vous remercier et rendre un hommage mérité au comité olympique, mais surtout demander à notre jeune frère Amadou Falba, qui n'a cessé vraiment de poser des actes qui aujourd'hui nous rassurent dans le sens de la réussite et du succès de ces événements que nous aurons à accueillir sous peu. Je voudrais en nom à nous tous, c'est une forte délégation de la ville de Dakar qui est venue au nom du maire de Dakar pour vous dire encore merci pour tout ce que vous faites pour la ville de Dakar. lu am solo am na ñu fi nekk boo leen waxee Dakar mais xamuñu Dakar ndax tey bu ñuy wax ville de Dakar dix-neuf communes yi la ñuy wax am na ñoo xam ne xam nañu Dakar Plateau waaye xamuñu Cambérène xamuñu Ouakam jeu bi mën na permettre ñu xam découvrir les dix-neuf communes boo génnee Dakar tudd nañu léegi Diamniadio tudd Saly bari na si ñun ñoo xam ne Diamniadio romb rek leen fa xam wala tur xamuñu dara ci sag tey jii mën nañ ñu xoojoo boobu demlante bi ak jàppalante ak découverte double absolu mën na promouvoir leen jënd bi ak jaay parce que ñii ñëw fii ci réew mi moom mu xam ñi dëkk ci réew baa ñi bi jóge bitim réew am na jeexital bu muy am ci activité yi dana nekk loo xam ne aussi day wane ni ndeke kii may gis guddeeg bëccëg kat xarañ na lool تخاف الاسباني كان جاي من غرمان من الاب الاسا مدام بيسو فرونتيري دم بيتي مي ولا فان دي تاغيرو ما جوخي تي بن اكزامبل نين نيب غيس نيو تاي دي تي والو فوتبول سنغال ندام لي مام ادونا نيب ديكو ديكو جو واي غيس نيو تاي جاموني تي ادونا ني غنا خالتي فوتبول ني لين دي يوبو عرب سعودي من لان لا تي عرب سعودي weesoo tàggat yaram bi dañu bëgg jaay seen réew réew nag pour nga jaay ko foog nga wane melokaanam ak ay mën-mënam am na ci ndaw yoo xam ne ci yenn xeetu tàggat yaram bi mënuloo soupçonné ni am nañu talent yooyu mais lii dana mën ñu wane ñi ñu xaral li ci fànn wax nañu aussi mbiru jëmbat garab lu am solo garab dafa am solo ci dëkk ndax borom xam-xam yi nee nañu ville dafa am identité ville dafa am fonction dafa am béréb yu ñuy am béréb yu ñuy am béréb yu ñuy noppal Ndakaaru dañ wax Cap Vert bu jëkk mais tey jii am nañu bari ñuy wax Cap Béton ndax béton bi moo ci moo gën a lañu mais bu fekkee promouvoir nañu jëmbat garab boobu dina am solo lool ci taara dëkk bi dina am solo lool ci naatal dëkk ndax garab am na fonction yu bëri na gis nañu Dakar ville capitale li fi daw ci oto bëri na te garab am na fonction boobu garab day absorber monoxyde de carbone di rejeter oxygène moom la borom tubaab bi di wax la donc jëmbat garab boobu day yokk même durée de vie doomu aadama yi yeewoo am solo loolu ñu ngi ciy ñaax gox gaxaat yi boo demee ville de Dakar jamono yi ñu génn jëmbal nañu lu toll ci mille garab mbaa lu ko donc loolu dafa am solo ci biir donc jeexital bi ci ci ci ji bari na lool suñu mbokk yi nga xam ne dañuy jaay gerte dañuy jaay jaay jaay yu ndaw mais ci ji daa gis boo xaymaa la ñu cay jaay wala la ñu cay am mu ëpp foofu. bu fekkoon ni GIE am donc dimension économique boobu dana ci feeñ aussi bu rëy a même yéen yow ba ngeen waajal certes du ngeen nekk ay athlètes yu def yooyu mais daa ngeen def sport jamono jooju parce que boo bëggee teewee Dakar Plateau activité ñu ne la am na benn bopp Cambérène nga naa ngi naa ngi ne la nga dem Saly nga naa ngi naa ngi dem ñu ne la foog indi ci jeexital bari na. donc bien boo ngeen jënd ay dàll yu baax commencé sport ah et dana tax aussi comme ni ko waxee mbootaay boobu yëpp bu ñu de Dakar ñëw jiite ko mais mandarga bu am solo au delà de Dakar suñu réew la ñu Sénégal gën ñu am Sénégal kenn ñuy liggéey léeg-léeg nga dox ci mbedd gis ay fraises yu yore am da nga keneen moo ko te fekk ay xale yoo bokkoon lu am solo donc jeexital bi bari na lool te lépp njëriñ la pour lépp. lan mooy taxawaayu maire Dakar si Essilal. mais wax nañ ko maire Dakar ku ko ci jiituwul ku ko ci jiituwul jiituwoo ko ci maire Dakar gi ci biir ci la bokk moo tax ñu ni ñu feddaliwaat ni é le 31 octobre bis boobu maire Dakar mooy ñëw présider ko wax kàllam te loolu dafa dëppoog li nga xam ni. mairie Dakar bu ñu bëggoon teg Dakar génn woon na programme bu ñu waxoon Dakar bu ñu bokk boo xoolee parti yu bëri mi ngi ci programme boobu.